Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël la confiance renouvelée. Merci de louer des likes. Merci de louer des abonnés. Merci également des bails et des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. Inbox sénégalais, fait foule et 14 régions du Sénégal. Rukhoukha, de Gorgokha, de Ninglen, de Djadjofoul. Ninek également qui la l'hôpital et qui hérite de février. Nous sommes bonhommes focus en bok mieux gamme. Ninek qui casse ingen ramener aussi. Erreur judiciaire. Guignol, ni de foule mon info youb. Sont bonhommes guignol, info. Dès le ward l'enseigne, n'y a de droit d'honneur. Sont bonhommes khalen à Jennifer Dossi, te y réunion en avance ensemble dans la magie de Pablo Show et de Sport TV. L'actualité en contenu direct de l'innovation de Lucis, donc contrat Lamine Camara du côté de Monaco. Pourquoi Monek bon choix détaillé le New York mais également Warty, garde du corps pour Lionel Messi amna lum ci mais également Kylian Kylian Mbappé facile yéene de club Bo il sera le plus jeune joueur à avoir un club Kinga nga moi également Wembanyama mu le joueur de basketball pour France moom Nak fi mu ne bu nekk basketteur footballeur notamment gardien de but parce que nee na talent parce que aussi en dehors du basket football mooy sport préféré am boo yi ngeen gis non mënoon nañ ca yokk ñoo loppi mënoon nañ ca yok yeneen joueur mais bokku nañ ci nga xamné moy avenir milieu de terrain en Afrique ñu bolé ci Lamine Camara Pamatar Sar également Habib Diarra comme yeneen joueur yo xamné pour montrer également que l'Afrique euh, a de bons joueurs et d'excellents joueurs pour l'avenir. King n'a et Pedri change de look. Hein. L'église, une nouvelle coiffure. Pour Pedri, le joueur espagnol champion d'Europe. Bingham également, le joueur du Barça. Bon, final, style Dadi Guénégoum. Le temps, bien évidemment, pour récupérer Dadi Ower. Pedri, King n'a pas donc Oshimen, mon belégui, Bug Napoli, d'accord, avec Paris Saint-Germain, tu termines, mais les problèmes, moi, fini. Napoli, n'a pas de sommier, Paris Saint-Germain, sommes pas de sommier, de folie, Badrandal. Euh, ñi ngi xol ba léegi Napoli mi ngi négocier ak joueur parce que aussi dañu am accord ñoom waa Napoli ak Lukaku ki nga xam mooy également Joshua Kimmich nek ci short list liste bu néew bi nga xam ne euh, Paris Saint-Germain génne na ko pour recruter milieu de terrain et loolu bokul ak dara kaw Joao Neves nga xam ne mi ngi avancer mais mbir yi moo xaw cher mais ñom it dañoo bëgg recruter Joshua Kimmich ñii di waa Paris Saint-Germain Julián Alvarez nak mom waxna na jamono ji dal daw euh, début de saison bokkoon nañ si ñu ëppoon temps de jeu mais après gis nañ né match yi nga moy match yu am importance duñ ko jox temps de jeu donc jot na mu dal di xalaat ci ëllëgam lo dal fini ne la nekk di cogiter le joueur argentin qui a tout gagné à son âge tout tout gagné en tant que joueur sauf ay trophées individuels yoo xam comme ballon d'or Ryan Cherki n'a gars yi est-ce que transfert avec Dortmund ou di capoter parce que Mingi jouer aux Jeux olympiques mais ba Mingi mi ngi ci banc bi dama ban lay dam te que ki nga xam donc entraîneur bu bees bi aussi dafa jàppoon ne joueur bi dina également par rapport profil dina mën a évoluer en équipe A mais dara leeru ko en tout cas ay y a eu dox jamono ji kii nga xam ne donc Eriksen moom nee na daal day Manchester United parce que dese na ko benn année contrat donc il va remplir son contrat Tokfa baane mi jeex buy dem amana mu dem neen pour l'instant daal joueur Manchester ki nga xam mom il est libre de tout contrat muy De Gea waroon na dem fi nga xam mooy donc Genoa hein finalement nak ay jiixi jaax xaw fa am bu donc moom donc nee il a jamais eu de d'accord avec le club mais dal mom ba léegi il est libre mi ngi wër club boo xam ne bu en point de chute dit qu'à di Calafiori officiellement présenté comme joueur d'Arsenal Mingini, ah, donc il sera l'un des hommes forts de Michael Arteta qui saison Bini, notamment en défense cette équipe des Gunners d'Arsenal qui championnat et ils sont sur une bonne euh, pente qui ah. ki donc ah, Leroy il va probablement rester du côté de Bayern du côté de Arsenal mais dara donc il va rester du côté de Bayern Bayern sax mi a prolonger contrat au-delà de 2020 5 qui nga xamne euh, Pro ah, donc euh, mon plutôt que joueur pour Arsenal day du côté donc de Fulham mon record en matière de d'achat pour la Fulham donc le joueur qui devrait être acheté à hauteur de 34 millions euh, d'euros Lamine Golden Boy Lafiat Camara day du côté de Monaco accord Amna 13 millions là avec 2 millions de bonus moi am faut contrat dem Monaco ni ma leen ko yag wax léegi nak li tax mo nek wax na len ko la meilleure solution le le meilleur choix pour Kemba Lamine Camara premièrement dina ko permettre mu daal évoluer ci dynamique bi mu nek parce que c'est un jeune joueur bu ko faté donc dafa nek ci pente boo xam pente ascendante la dañuy ñaan mu gëna a dem ba ca kaw a kaw kaw. donc lool bokk ci ben point bi deuxième point moy dafa nekk jour boo xamné Monaco des jouer Ligue des Champions. Monaco donc de jouer Ligue des Champions vitrine les donne pour le joueur sénégalais Moudan Féwane, Bopom, wane également li benen chose également moy également de fameux mes joueurs et xam ne joueurs sénégalais yi donc intégration d'une facile accompagnement d'une facile avec l'expérience mais bi Crépin Diatta am foofu Ismaël Jacobs donc dina commune mën a permettre d'évoluer qui évoluer niveau bini les amis donc c'était les informations qu'on voulait vous donner on se rendez-vous tout de suite sur Baba Show pour parler du cas de Kylian Mbappé mi nga de de dafa jënd club détaillé mais également le garde du corps de euh, Messi ci li wax ci Messi vous like vous leen di abonné ci